mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la visite ce matin des responsables du studio Kalangou dans les locaux de la radio et télévision Tambara. L'objectif est de renforcer le partenariat entre le studio Kalangou et la radio et télévision Tambara, le miroir de la femme. Compte rendu avec Anouma Mamassani et Abdel Nasser Abdou. Les responsables du studio Kalangou étaient en visite de travail ce mercredi dans le locaux de la radio et télévision Tambara. C'était sous la conduite des responsables suivi et qualité Adnan Adamou et le responsable chargé de formation avec les radios partenaires du studio Kalangou. L'objectif de cette visite est d'échanger avec les différents responsables de la RTVT partenaire stratégique du studio Kalangu. Ce qu'il faut rappeler, le studio Kalangu diffuse ce programme à partir de Niamey à travers les canaux des radios partenaires dans les région régions du Niger. Des journaux parlés en langue française et aussi en langue nationale et des débats et forums sur des diverses thématiques. Après la visite des installations de la radio et télévision Tambara, accompagnée par la directrice administrative et financière de la dite boîte, du premier abord, ces derniers ont longuement échangé et discuté avec le promoteur de la RTVT Yazid Hambali sur la qualité de cette collaboration et le partenariat qui lie les deux organes. Enfin, cette visite de travail a pris fin sur une note de satisfaction. En cette période électorale, la jeunesse joue des rôles prépondérants dans la promotion de la paix et la cohésion sociale pas pour le président du Conseil national de la jeunesse, Alio Oumarou. La participation de cette dernière est encore importante. Le président du Conseil national de la jeunesse au micro de Rachida Abdelkadri et Ibrahim Kantama. Quand vous vous référez au fichier biométrique, vous constaterez aisément que plus de 53% des personnes enregistrées étaient des jeunes. Donc naturellement, vous allez constater un engouement très fort lors euh, des élections passées, les élections de décembre. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pendant plus de trois ans, euh, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous nous sommes euh, fortement mobilisés pour sensibiliser la jeunesse à s'intéresser à la vie politique. Parce que de tout temps, les jeunes se plaignent de, mauvaise gouvernance, de manque d'emploi et de tous ces maux qui minent la jeunesse. Or, pour changer véritablement les conditions de vie et de travail de la jeunesse, il va falloir que cette jeunesse s'intéresse à la vie politique. Ce qui fut fait, puisque dans l'histoire du Niger, jamais nous n'avons enregistré autant de jeunes au niveau des élections locales, législatives et présidentielles. je pense que cet engouement va amener un véritable changement dans la gouvernance de notre pays. Le deuxième tour des élections présidentielles prévues pour le 21 février prochain se fasse aussi dans un climat apaisé, mais aussi qu'il y ait une forte mobilisation des jeunes, qu'ils partent en tout cas élire dans le calme, dans la tranquillité, en tout cas le candidat euh, qu'ils estiment fera de ce pays un pays où il fera bon vivre, un pays où les jeunes auront suffisamment d'emplois, un pays dans lequel la question de la sécurité sera une priorité, mais aussi un pays dans lequel il sera bon à investir, mais surtout à, investir pour les jeunes qui, qui comptent euh, entreprendre. Donc nous souhaiterons que euh, ce pays, les jeunes ont compris, qui nous appartiennent tous et qu'il n'est pas question qu'un jeune se retrouve, par exemple, en, prison pour avoir euh, voté correctement, mais aussi qu'on fasse en sorte que euh, cette alternance démocratique qui s'est dessinée puisse se perpétuer encore, encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, le Niger est cité en exemple de démocratie. Il faudrait que la jeunesse en tire profit, que la jeunesse en fasse une priorité dans leur action quotidienne pour que le Niger demeure un pays où il fait bon vivre, un pays développé. Parce que la question de voie de développement, je pense qu'il est révolu. Il faut que le Niger soit véritablement cité dans les pays développés dans les prochaines décennies. Mouvement d'humeur ce matin à l'université de Niamey, les étudiants sont sortis pour interpeller pour la énième fois les autorités de la 7e République afin de réexaminer leur plateforme revendicative pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants nigériens de l'université de Niamey. Compte rendu avec Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Le mouvement d'humeur des étudiants à l'université de Niamey a provoqué le blocage total de trafic au niveau du pont Kennedy. Ce mercredi matin, une manifestation de protestation pour rejeter en bloc l'indifférence du gouvernement de la répartition de l'aide sociale et le paiement de leurs bourses. Pour les responsables de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, le gouvernement doit revoir sa copie face à cette situation. Nous avons posé des revendications il y a plusieurs mois de cela avec euh, le gouvernement, nous nous sommes assis sur la table des négociations et des dialogues. Et sur ces revendications-là, il y a un certain nombre de points qui jusque-là sont en train d'être bloqués. Si vous prenez aujourd'hui l'université de Niamey, est une université qui fait face à des situations, des difficultés liées à son fonctionnement, notamment le système académique qui est en lien avec les questions infrastructurelles. Nous avons des difficultés liées aux salles de cours il sera très facile aujourd'hui de jeter un coup d'œil dans une des facultés et vous verrez les conditions dans lesquelles nos camarades sont en train de prendre cours. C'est des conditions extrêmement euh, dégradantes, c'est des, euh, des, conditions extrêmement moyenâgeuses. Nous estimons que euh, nous sommes dans un pays qui doit s'intéresser à cette question-là académique pour apporter des réponses assez claires et nettes afin que nos camarades puissent prendre des cours dans des conditions paisibles. En effet, il demande aux autorités du ministère des Enseignements supérieurs de prendre en compte toutes leurs revendications. Toutes les facultés de l'université Abdou aujourd'hui et l'école normale supérieure ont besoin des salles, ont besoin des amphithéâtres, ont besoin des bibliothèques. Donc l'État est interpellé à ce point-là. Si nous revenons aussi sur la question d'ordre social, les conditions de vie le campus universitaire est extrêmement exécrable. Au campus universitaire, nous avons des camarades qui dorment dans une chambre qui est censée recevoir trois camarades ou deux. Mais c'est très facile de trouver une dizaine, une douzaine, parfois une quinzaine de nos camarades qui dorment entassés l'un sur l'autre. Nous considérons que c'est une situation qui doit interpeller au plus haut sommet les responsables étatiques. Par rapport également à la question de nos subventions, aujourd'hui le gouvernement du Niger a l'obligation de satisfaire les besoins liés à nos subventions. Je crois que c'est le minimum que qu'un État puisse faire, c'est-à-dire satisfaire les besoins les plus élémentaires liés à la subvention, liés à la question des bourses de nos camarades. Aujourd'hui, nous avons plus de cinq mois d'arrivée de bourse. C'est la première bourse de l'année académique 2020-2021 qui est censée être payée. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons même pas encore eu la demi-bourse qui est la bourse de vacances qui est censée être payée pendant les vacances. Face à cette situation qui prévaut au sein de l'université de Niamey, le gouvernement devrait prendre ses responsabilités pour une année académique aussi effective que les universités publiques. Dans leur doléance aux autorités compétentes, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey souhaitent la création d'un centre commercial au sein du campus universitaire. Reportage Mohamed Issoufou et Ibrahim Kantama. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, dans leur doléance, ont transmis aux autorités rectorales demandant la création d'un centre commercial ou business center dans l'enceinte du campus universitaire. Ce business center pourrait permettre aux étudiants de mener à bien leur activité quotidienne des transactions pour une autonomisation totale de ces derniers. Depuis des années, il y a des comités exécutifs qui sont censés gérer les problèmes internes des étudiants. Et vous savez qu'il y a déjà des difficultés pour les camarades de pouvoir se déplacer, non seulement dû à l'éloignement, mais aussi et surtout par rapport au moins de déplacement pour la satisfaction de leurs petits besoins. Et donc, euh, il y a cette installation des petits commerces, qui s'en sort au sein des cités universitaires, mais aussi et surtout dans les coins et les coins euh, de la cité universitaire. Des comités exécutifs se sont manifestés depuis un temps pour pouvoir euh, désengorger cette situation en demandant à ses camarades qui s'installent plus ou moins un peu partout de sortir des cités universitaires et de s'installer avec euh, les autres camarades au dehors des cités universitaires. La situation a évolué comme ça et il est arrivé un moment où cette situation est l'une des revendications prioritaires des étudiants. Ce serait peut-être que l'État, est en connivence créer les conditions d'aménager un espace dans lequel il va eh, construire un marché et qui seraient peut-être loués par des étudiants. La création de ces marchés sur le campus universitaire permettra d'autre part aux étudiants de se distraire après toute une journée de carrière académique. Les étudiants qui constituent aussi la couche la plus essentielle de ces pays-là, aussi chaque fois participent à l'élévation de l'économie nationale. Chaque fois aujourd'hui quand on donne bourse et social, pratiquement les étudiants partent dans les marchés. D'autres parfois on vole leur téléphone, d'autres parfois on vole leur machine, d'autres dans les marchés ils perdent leur moto de la restauration déjà ça au fait. Ça là c'est très dangereux, mais lorsqu'on arrive à trouver un marché ici à l'interne je pense que ça va faciliter la tâche pour les étudiants. Parce que ici, pratiquement c'est le Niger en miniature. Pratiquement tous les hameaux, tous les villages de Niger sont représentés ici à l'université. Il n'y a pas une commune, il n'y a pas un village qui n'a pas un représentant à l'université Abdoumoun de Niamey. Donc certains qui sont venus nouvellement à Niamey, ils ne connaissent pas bien Niamey. Même le fait de sortir et mettre des achats à l'extérieur, ça leur cause du problème. Mais lorsqu'il y a un marché, juste à l'interne, par exemple, je prends Al-Isa qu'on a amené l'année passée à travers un combat acharné. Tant ça, ça nous permet de très facilement de faire les retraits ou bien d'effectuer des envois très facilement. Au lieu de partir, sortir, partir à l'extérieur, faire des envois à l'interne même, on peut les faire. Parce que vraiment ça là, c'est un ouf de soulagement pour les scolaires qui étudient à l'université Abdou de Niamey. Enfin, à cette ère du XXIe siècle, le marché moderne est aussi une nécessité dans nos universités à l'image des autres campus universitaires dans la sous-région. Certains conducteurs foulent les pieds ces derniers temps toutes les décisions des autorités de la ville de Niamey qui réglementent la circulation de la voie express de l'aéroport au centre-ville de Niamey. Compte rendu avec Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. La voie express est l'une des infrastructures structurantes réalisées dans le cadre de la conférence de l'Union africaine à Niamey. Avec plusieurs voies de circulation, cette route a totalement métamorphosé l'image de la capitale. Il faut noter que ce noyau relie l'aéroport international de Rihamani de Niamey au centre-ville. La voie express, d'une part, facilite la fluidité des trafics dans les zones qu'elle traverse. Malheureusement, force est de constater que dans la zone de grand marché, Aujourd'hui, cette voie est confrontée à un problème relatif au non-respect des règles de son utilisation. D'autre part, malgré toutes les décisions prises par les autorités de la ville de Niamey par rapport à l'utilisation de cette voie moderne, certains usagers filent au pied de gré ou de force toutes les réglementations le non-respect de certains arrêts et stationnements par les conducteurs. Une situation qui est due à l'imprudence et l'indiscipline des uns et des autres. Pourtant, cette voie express répond aux normes standards à l'image de celles des autres pays émergents. Cependant, les autorités en charge des transports devraient prendre toutes les responsabilités pour mettre fin à cette anarchie afin de rappeler les conducteurs de respecter le cadre de la route pour le bon usage de cette